Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Mohamed Maman, journaliste à la radio Garko Maradi. Le forum est diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 46 radios partenaires et six télévisions, dont 5 basées à Niamey et une à Zender. À Maradi, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Garkoa 107 MHz et la radio Saraunia sur les 102 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème Drogue et violence en milieu scolaire à Maradi depuis quelque temps, les établissements scolaires sont devenus le terrain de chasse favori des vendeurs de la drogue. Ils se camouflent en scolaire pour avoir accès aux établissements afin de rentrer en contact avec les potentiels acheteurs. Conséquence, sous l'emprise de cette drogue, certains élèves perturbent leur classe et il y a de plus en plus de la violence à l'école et souvent même les bagarres de quartier sont transportées à l'école. Cette situation n'est pas sans conséquence sur le rendement des élèves le jeudi 25 février passé, un forum a même été organisé par la Fédération des comités de gestion des établissements scolaires sur le sujet afin de trouver des solutions idoines et lutter efficacement contre ce mal. Comment se présente ce phénomène dans les établissements Quelles sont les causes de ce phénomène Quels dangers encourent les jeunes scolaires face à cette situation et comment y remédier Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce forum pour débattre de ces questions, nous avons invité M. Gagara Abdul Nassirou. Il est le professeur du lycée Tambaskouré, communément appelé LDB. Bourema Oumarou, point focal du cadre de concertation des associations de jeunesse de maladie. Et enfin, Nana Wassila Hamza, responsable de l'entreprise Ma Voix de Femmes et aussi Scout. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous au forum du studio Kalangou. Débutons ce forum donc avec vous, monsieur le proviseur, monsieur Gagara Abdul Nassirou. Bonsoir. Vous êtes donc proviseur du lycée d'Ambascouré. Pouvez-vous nous décrire euh, comment se présente euh, le phénomène de la circulation de la drogue dans les établissements scolaires euh, En tant que responsable du LDB, le lycée d'Ambascouré, l'occasion plutôt m'est donnée d'évoquer un phénomène qui me tient à cœur, un phénomène qui est grave parce que il est en train petit à petit de détruire mon établissement. Euh, les élèves aujourd'hui s'adonnent à la consommation des stupéfiants. On le voit, on le constate. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Mais avant tout cela, je crois qu'il faut d'abord définir le thème. Le thème, c'est violence, la drogue, la drogue et les violences, en milieu scolaire. La drogue, c'est une substance nocive qui change le comportement de l'enfant, ou de l'être de manière générale, principalement de l'enfant, ce qui nous intéresse, et qui l'amène à avoir des ajustements, parce que ce n'est pas des comportements, c'est des ajustements dans la société, parce que c'est des comportements négatifs. Et ce comportement, en fait, c'est la violence. La violence qui est une façon de toucher à l'intégrité morale ou physique de quelqu'un. Mais qu'est-ce que regardent dans les établissements Aujourd'hui, les bagarres sont monnaie courante, souvent avec armes blanches. Les insultes et autres colibés sont monnaie courante aussi. Bref, l'école est en train de devenir un cadre où il ne fait pas bon vivre. Donc, contrairement à sa mission première, qui est celle de créer un havre de paix où tout le monde pourra s'épanouir. Et si nous nous prenons garde, nous allons arriver à une situation incontrôlable. Puisque déjà, les élèves ont commencé à fumer au sein des établissements. C'est ça qui est grave. Ils vont, ils trouvent un coin, ils se cachent, comme la cour est vaste. Ou bien ils viennent le soir, parce qu'il n'y a pas cours le soir, ils se cachent dans les classes et ils fument le, crack. Voilà les situations auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Mais où est-ce qu'ils trouvent la drogue, ces élèves cette euh, drogue-là, il la trouve autour des établissements. Autour des établissements, il y a des vendeurs de toutes sortes. Vous allez voir quelqu'un qui mène une activité, vous allez penser que c'est un commerçant sur rue, alors que, en réalité, il vend de la drogue. Selon certaines sources, au sein même des établissements, il y a des élèves qui la vendent. Ça, je n'ai pas eu d'exemple concret, mais ce qui est sûr, on a constaté plusieurs fois, on a surpris les élèves en train de fumer le crack à l'école. Lors de notre dernière rencontre, je crois, au forum de, la FDC, j'étais allé avec de la drogue saisie en classe. Je vous en prie, en classe. C'est vous dire que le phénomène est inquiétant et que nous avons le devoir de réagir. D'abord en tant qu'administrateur, en tant qu'enseignant, en tant que parent d'élèves. Sinon, nous risquons d'aller vers la catastrophe. Boureima Oumarou, vous êtes le pont focal du cadre de concertation des associations de jeunesse de maladie. Quelle est la situation des violences en milieu scolaire dans la mesure où nous savons que vous-même, vous avez eu à organiser euh, un certain nombre d'activités allant dans le sens euh, de sensibiliser les scolaires par rapport aux violences. Dites-nous aujourd'hui, euh, quelle est la situation des violences en, milieu scolaire Merci beaucoup, Monsieur Mamet. Euh, merci euh, à studio Kalangu qui nous a donné euh, l'occasion de venir s'exprimer sur un thème d'actualité euh, dont aujourd'hui nous vivons. Et comme vous l'avez entendu, Monsieur le Président vient de le faire la situation. En tout cas, c'est une situation très, très, très compliquée. Et nous l'avons en tout cas remarqué, surtout dans les villes. Ce phénomène est tellement fréquent. du coup, par rapport à la drogue, vous-même, vous l'avez constaté, ces dernières années, je veux dire ces derniers temps, vous voyez comment la drogue est en train d'être saisie par nos, euh, par nos FDS. du coup, vous comprenez que c'est devenu quelque chose dont c'est très difficile à maîtriser. Et les jeunes ont toutes les stratégies pour, pour avoir ces, ces, drogues. Et ces drogues qui est à la base de toutes ces violences. Et ces violences sont fréquentes. En tout cas, le mois passé, nous avons fait un certain nombre d'établissements et dont nous, nous-mêmes, qui étions les organisateurs des activités de la lutte contre des violences à milieu scolaire, nous étions à risque d'être vraiment menacés parce que quand on parle de ça, tout de suite, en tant que jeune, il se sent comme si tu connais, tu sais qu'il est en train de faire la chose. Alors que nous, on ne sait, on sait même pas. Parce qu'on était en plein activité, il y a d'autres qui, ont, qui crient pour dire que bon, ils veulent même saboter l'activité, vous voyez. Mais vu en tant que gens, on se connaît, donc nous avons pu maîtriser la situation. C'est vraiment une situation qui est très, très fréquente. Euh, et les violences, ne serait-ce que l'année passée, euh, il y a eu des victimes de violences, ici même, euh, à Maradi, dans un établissement. surtout, en tout cas, comme vous l'avez dit, je fais partie de euh, du, cadre de concertation des associations des jeunes. J'ai eu l'honneur de participer aux réunions au niveau du gouvernement, du comité euh, de gestion euh, de, ces, de ces de violence dans la ville de Maradi. vraiment, il y a beaucoup de stratégies que, au niveau de la ville, les autorités ont pris, mais c'est encore insuffisant. en même temps, nous avons comme vous l'avez encore, je fais partie d'une association, une ONG qui s'appelle EPP Éducation pour la paix. Nous faisons ce même genre de sensibilisation euh, nous, on créé même des clubs de jeunes euh, de paix. Qu'est-ce qui vous a amené à organiser cette caravane de sensibilisation Et Mohamed, vous voyez comment je dis, l'année passée, hein, c'est pas par exemple dans une autre région ou bien quelque part on entendait ça, c'est vrai, là on entendait ça. L'année passée, un élève était victime jusqu'à être assassiné à cause juste d'une violence qui finalement a fini euh, comment, bizarrement dans un établissement. Si, si nous, en tant que, par exemple, jeunes, qui dit que leader de jeunes, on ne prend pas des dispositions pour sensibiliser nos frères jeunes dans ce cadre-là, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire avec, avec l'honneur même de l'ONG ou bien de la, des associations qu'on est en train de dire qu'on est à la tête On ne le respecte pas. Ce phénomène est vraiment très fréquent. Et en tout cas, nous interpellons toutes les structures de la société civile de, vraiment faire en sorte que des petites sensibilisations ne cessent dans les différentes étapes. Parce que c'est là où on trouve surtout les jeunes majeurs qui sont ces responsables. Merci euh, pour euh, toutes ces précisions. Euh, Nana Wassila Hamza, je le disais tout à l'heure, vous êtes scout et vous êtes aussi responsable de l'entreprise Ma Voix de Femme. Vous êtes jeune. Est-ce que euh, cette question de, est-ce que ce phénomène décrit par nos deux intervenants vous interpelle en tant que jeune Bien sûr que si. En tant que jeune, je, ça devrait l'être en fait, parce que on a touché le jeune, et puis moi, je suis jeune aujourd'hui. D'accord. Parlons drogue, parlons euh, violence. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau en fait. Ça date de longtemps parce que on a vu, mais quand même maintenant ça persiste. Vu l'ampleur, donc du coup, euh, je me dis qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus un peu compliqué parce que les jeunes, quand on dit jeunes avant, c'était autre chose, c'était un jeune qui est concentré, on sait que bon, lui, il, est là et puis il se soucie juste de ses études et autres. Mais aujourd'hui, c'est ça fait mal en fait d'entendre même que l'apparition des drogues et aussi des violences au sein des établissements. En tant que jeune, toi qui es censé en fait te soucier de ton avenir et aussi l'avenir de ton pays, toi qui es censé en fait construire ton ton avenir. Oui, exactement, ton avenir. Maintenant, tu te lances dans des trucs banals. Et puis maintenant, généralement, bon, moi je vais parler un peu côté femme. Hein. Oui, justement. <laughs> oui, exactement, côté femme quand on dit violence, et c'est quelque chose qui est, qui est là d'accord, dont on ne parle pas, je ne sais pas. Et les femmes, de plus en plus, en fait, c'est ce qu'elles subissent au sein, au sein des établissements. Elles subissent plus de violence que les hommes Oui, exactement. Parce que pour des trucs banals, comme je l'ai dit, affaires sentimentales ou quelque chose comme ça, maintenant elles sont harcelées et puis elles subissent ces genres de violence. Voilà, donc euh, question je t'aime, je t'aime pas et ça devient un problème. Oui, exactement, c'est ce qui cause le plus de problèmes. Et puis aussi, c'est ce qui amène même les violences entre eux, les hommes. Par exemple, si toi tu as une copine et qu'elle aussi, tu as, ta copine et puis quelqu'un vient aussi la draguer. Donc du coup, tout ceci peut amener des, des violences, non seulement pour la fille, mais aussi pour l'autre qui est là et puis qui qui, veut aussi de la vie Ça veut dire qu'il est entré dans son, dans, son, champ, et, puis voilà. il voit que son intérêt est en jeu. Quoi. Monsieur le professeur nous allons revenir vers vous. Quelles sont les principales causes de ce phénomène euh, de trafic et de consommation de drogue euh, par les jeunes scolaires Eh bien, où trouve-t-il la drogue d'abord On en a déjà parlé, je crois, qu'il y a des commerçants tout autour des établissements qui la vendent. Il y a de grands fournisseurs en dehors de, des établissements, mais qui ont des vendeurs, souvent sont des élèves. On a même parlé de filles qui vendent de la drogue au sein des établissements. Des filles qui vendent de la drogue Des filles au sein des établissements. Mais je n'ai pas d'exemple, mais j'ai ouï parler de ça. ça, c'est comment elle arrive et par qui. Maintenant, les conséquences. Oh, c'est ce que vous avez demandé. Oui, on va parler d'abord des, causes de ce phénomène. Les causes de ce phénomène. Alors, les, jeunes filles amènent la drogue à la maison, euh, à l'école. Les garçons aussi amènent. Et il y a le fournisseur essentiel, c'est les FADA. Tout au autour des établissements ou à l'intérieur des villes, il y a les FADA. Les FADA sont aujourd'hui des lieux de débauche, des lieux de délinquance. Et ceux qui appartiennent aux FADA s'habituent déjà à la substance et qu'est-ce qui se passe C'est la contamination. Lorsqu'un élément de la FADA vit dans un établissement, il contamine ses amis, les élèves de la classe, et ainsi de suite. En moins d'un an, c'est une gangrène, elle grandit, et vous avez un maximum d'élèves qui fument le crack en fin d'année. En fait, en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Les FADA sont à l'origine de la drogue. Bon, on ils s'habituent euh, petit à petit et, euh, et voilà. voilà. Maintenant, pour affronter les filles, souvent c'est pour vaincre la timidité. On veut affronter les filles, on veut tchatcher les filles, comme on dit, excusez-moi le terme moderne. <laughs> Maintenant, il faut fumer le crack pour qu'on puisse être à l'aise. Maintenant, si le climat est favorable, qu'est-ce que j'appelle un climat favorable Lorsque vous avez un établissement où il n'y a pas de mur, où des murs sont presque inexistants, c'est facile de ventiler la drogue. Mm, par exemple, moi, moi je gère un c'est vrai qu'il y a un mur, mais le mur est court. Et malheureusement, je suis voisin à Cadiro Cadiro c'est ce marché. Cadiro c'est le marché d'où part, d'où part la drogue. Toute la drogue du Mali circule autour de Cadiro et pas du Cadiro. C'est ça le problème. Et moi, je suis voisin de Cadiro Voilà la difficulté. Et comme vous êtes voisin de Cadiro ça veut dire qu'autour de vous, il n'y a que ça qui circule. La police est toujours là-bas la nuit. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle sait qu'il y a des dealers dans la zone. Donc voilà le problème. Merci, monsieur le professeur. Nous voyons aussi à Maradi euh, de plus en plus euh, des fadas, les ce phénomène de chicha. Est-ce que cela peut être une cause euh, de, ce phénomène de, consommation de drogue C'est un des cas de, de la présence de, la drogue. Mais en tout cas, moi, je veux dire que c'est que c'est devenu trop facile à avoir. Aujourd'hui, avoir de la drogue, c'est plus facile qu'avoir même de la cigarette. ouais Moi, je fais le tour des établissements des fois le matin. À 8 heures, hein, avant que l'élève rentre à l'école, tu vas le trouver accroché quelque part. Moi, c'est parce que je garde anonyme des établissements. Sinon, à l'entour, à l'alentour, là, non, c'est dangereux. Hein. Tu vas, et puis tu, tu oses parler à l'enfant. Ah, c'est dangereux. Parce que tu n'as pas bac, tu n'as aucune autorisation de parler à l'enfant. Mais tu vas trouver des groupes des enfants. Dès que les enfants, deux, cinq garçons se retrouvent, Mohamed, je vous assure, c'est pas, ce n'est rien, c'est de la drogue que ces enfants l'apprennent. C'est la facilité d'avoir la drogue, c'est ça, en tout cas, la principale cause de cela, amener ça à l'école. Parce que, à l'école, nous, on n'a pas ce système de fouiller pour dire que si la personne est venue avec ou bien n'est pas venue avec, tu ne peux pas le savoir. D'ailleurs, tu peux même jeter ça à la porte est rentré en classe. Il trouve une occasion de sortir là, il va prendre, il laisse ça à la porte hein, et rentrer dire à son ami, j'ai laissé à la porte, il faut aller prendre. Imagine ça là, comment fait Ils font la queue le le. Hein? C'est vraiment compliqué cette affaire de drogue, Mohamed. Vraiment, c'est très compliqué. Parce que c'est présent partout. Et à, n'importe où, tu peux trouver ça. C'est ce que tonton vient de dire à, à Cadro. Mais aujourd'hui, ça dépasse les limites de Cadro. Wallahi, dans les quartiers, partout où vous partez, c'est que vous retrouvez, cinq jeunes se retrouvent. Je vous dis, Wallahi, cinq jeunes se retrouvent. ne hein. faut même pas penser, toutes leurs causeries se limitent au niveau où est-ce, comment on va faire si on trouve 500 francs au lieu de dépenser ça dans les bonnes conditions. Non, qui, c'est qui on va aller pour trouver cela. parce que ça va les permettre. et eh, c'est compliqué. À la maison, la personne revient à la maison. Tu ne le comprends pas, hein? moindre chose, c'est la bagarre à la maison. De telle sorte qu'il vous suffit même qu'il sorte, même parce que il est là, c'est un problème à la maison. Quelles sont d'ores déjà euh, les éventuelles conséquences engendrées euh, par le phénomène de la drogue en milieu scolaire C'est vrai, nous avons parlé des violences, nous avons parlé. C'est pas ça seulement. Et disons que la consommation de drogue également, non seulement comme ils ont parlé, ça engendre des violences parce que ça rend la personne un peu frustrée. D'accord Non seulement ça, mais aussi ça agit psychologiquement. Aujourd'hui, une personne qui, consomme de la drogue est différente. Vous allez voir qu'ils n'ont même pas les mêmes comportements avec une personne qui ne consomme pas. Non seulement, euh, un côté mentalité, mais également côté éducation là aussi, vous allez voir qu'il y a un buzz de niveau. Parce que maintenant, tu es bien portant, et même ne consommant pas même euh, de la drogue, tu n'arrives pas peut-être à, bien te concentrer sur tes études. Comment, comment pourrais-tu le faire si tu consommes de la drogue D'accord Donc, du coup, maintenant, c'est pour dire que en fait, ça agit. Ça agit gravement même sur, leur, sur leurs études, leur éducation également. Et aussi... Euh, les violences, là, ça rend la personne agitée et puis ça le frustre du point où quand tu vas lui parler, il se sent que si vraiment lui, il ne te, il, ne te massacre pas ou bien s'il ne te, te fait pas quelque chose, voilà, exactement, lui, il ne se sent pas à l'aise. Voilà, c'est ce que ça amène en fait. D'autres conséquences euh, alors, la conséquence pour nous, hein, nous, pour nous enseignants, la première conséquence, c'est la baisse du niveau scolaire. Donc, d'abord, le refus d'aller à l'école ou la négligence même de l'école qui a des conséquences. Et ces conséquences-là, c'est la baisse du niveau scolaire, la baisse du rendement. Et pourquoi Parce que l'enfant qui fume la drogue avant d'arriver à l'école, il vient, comme l'a dit dame là-bas, avec un état d'esprit particulier. Il devient subitement violent. En fait, c'est un lion qui vient à l'école. Le plus souvent, il porte des verres noirs. <laughs> Pour qu'on ne voit pas ses yeux. Pour qu'on ne voit pas les yeux. Donc nous, le plus souvent, quand on vient avec les verres noirs, nous les arrachons. Et vous allez voir que les yeux sont rouges. Ça veut dire que l'élève s'est préparé. Maintenant, il arrive, il arrive, celui qui n'est pas habitué souvent, le plus souvent, on peut le maîtriser. Mais les autres, ils réagissent violemment, même contre nous. Le plus souvent, c'est le lendemain qu'ils reviennent s'excuser. C'est la preuve que le jour-là, ils n'étaient pas dans leur état, dans leur état normal plutôt. Donc c'est comme ça que ça se passe. L'élève se désintéresse complètement de l'école, parce que n'oubliez pas que toutes les drogues, comme même l'alcool, euh, détruisent chez l'homme l'ambition. Lorsque vous prenez les substances là, vous n'avez pas d'ambition. Pour vous, ce qui est important, c'est d'avoir la drogue. C'est d'être euh, dans l'euphorie. Dans l'euphorie, c'est tout. La joie que ça procure, malheureusement, qui ne dure pas, qui est éphémère. D'où euh, l'accoutumance. D'où l'accoutumance. D'être tout le temps dans, l'euphorie. Et petit à petit, on va vers la dégradation du cerveau, et donc de la psychologie, et donc vers la, folie. C'est pourquoi il y a beaucoup de fous en ville, vous allez le constater. Dans la majorité des gars, c'est des consommateurs de drogue. À l'école, vous allez voir des élèves on vous dit non, c'est des cracks, c'est parce qu'ils ont des maux de tête qui sont morts, ou bien c'est parce qu'ils utilisent beaucoup. C'est faux, c'est la drogue. Dans 99% des cas, c'est la drogue qui les détruit ou qui les tue. Récemment, il y a eu un décès. Au sein de quelqu'un un, élève est mort. Les gens ont parlé de quoi là, mais moi, moi mon analyse, selon mon analyse, le petit là de drogué. Parce que le jour là, mhm. le jour là, un jour, un dimanche, c'est un dimanche je crois, il a lavé tous ses habits, tous les draps tout ce qu'il y a comme tout dans sa chambre, il a lavé. Ça veut dire qu'il a fumé quelque chose ou bien il a, bu il a pris la drogue. Et juste après, il, était en juste après, il était en super Juste après, il avait des maux de tête violents et il est tombé et c'est fini. En fait, en réalité, moi, mon analyse, moi, je suis convaincu que l'élève là, en fait, il s'est drogué, mais je n'ai pas les preuves. Ça, c'est ma, ma propre analyse. Tu laves tout chez toi, tu as des maux de tête juste après. Il était en super activité. Il était en super activité. Sous l'emprise de la drogue. Sous l'emprise de la drogue, certainement. Voilà comment, voilà ce qui se passe dans les établissements. Voilà le genre d'élèves que nous avons avec nous, qui nous violentent. Mais dans, des établissements comme les nôtres, si tu n'as pas de gabarit, tu es insulté souvent. Donc il faut être grand. Il faut être grand. Il faut que l'élève sente qu'il ne peut rien faire de toi, comme on dit en on traduit. <laughs> Ben, ah, ben, il m'a commis. C'est comme ça. Il faut qu'il ait devant lui quelqu'un qu'il ne peut pas affronter. Et là, il se rabaisse. Ou bien tu brandis le renvoi. Tu brandis le renvoi. Et là, tu peux le faire fléchir. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, ce sont des élèves qui violentent les enseignants dans les salles, qui violentent les filles quand elles refusent de s'abandonner, qui violentent leurs camarades garçons, qui refusent d'être comme eux. Voilà les gens d'élèves que nous avons dans nos établissements aujourd'hui. L'école, ce n'est pas leur problème, je vous dis. L'école est devenue, comment je veux appeler ça, une sorte de, de un centre de lieu de jeu, une sorte de, détente. On quitte la maison, on vient là où il y a de l'ambiance, c'est à peu près ça. Et, euh, quand, à ce moment tu vas sentir voilà. le phénomène de la drogue, parce que quand tu, quand voilà. quelque chose, quelqu'un comme toi va dire Ah, il a fait. tout. Tu vois Malheureusement pour eux, à l'école, il y a un règlement intérieur. Tu dois le respecter, si tu, parce qu'il faut un règlement intérieur si on veut vivre en harmonie. Si tu ne le respectes pas, nous, on t'exclut de l'établissement. Et souvent, il nous est arrivé de, prendre des décisions qui ne sont même pas conformes au règlement. Parce qu'un élève qui se comporte de cette manière, tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas attendre. Un élève qui insulte ouvertement un enseignant, tu ne peux pas attendre un conseil de discipline. On l'exclut. Surtout quand tu sais qu'il est sous l'emprise de la drogue. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc vraiment, si on veut, bon, on n'est pas encore arrivé. On va parler des mesures. Est-ce que selon vous, des mesures sont prises pour freiner euh, ce problème Nous, à l'école, ce que nous avons, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur nous permet de frapper. Mais ce n'est pas suffisant. Frapper comment Si tu veux, si tu veux réellement que les élèves respectent ce règlement intérieur-là, il faut que tu sois intransigeant, que tu les obliges à le respecter. Quand tu remarques qu'un élève est sous l'emprise de la drogue, il faut l'exclure de l'établissement parce que c'est une gangrène. Il ne faut pas qu'il contamine les autres. On a eu confiance en toi, on t'a donné un établissement avec des élèves à gérer, il faut les amener à bon port. Et pour les amener à bon port, ce n'est pas seulement l'instruction, il y a aussi l'éducation. C'est ça le rôle de l'enseignant, c'est les deux. Vous leur apprenez des choses, c'est vrai pour qu'ils puissent se débrouiller de la vie, mais il faut qu'ils apprennent aussi à vivre dans un milieu, dans un environnement. S'ils n'arrivent pas à vivre dans cet environnement-là, il faut les éloigner, il faut les y éloigner. Sinon, c'est un échec. Donc, tous ceux qui sont dans la logique de la drogue, de la violence, écartez-les des établissements et vous serez tranquille. Récemment, en, pleine composition, un élève a, a insulté une surveillante de salle parce qu'il a vu que c'est une dame qui n'a pas de gabarit, il l'insulte ouvertement. natchouaki Et vous voulez qu'un élève comme ça, on, le laisse Moi, moi je n'ai pas besoin de conseils pour chercher un élève comme ça. C'est sérieux hein, ce que nous vivons, Mohamed. Est-ce que vous êtes en train de sentir, vous, Bourema, vous sentez qu'il y a des, mesures qui sont prises pour euh, freiner ce, phénomène Ce que Tanton vient de dire, d'abord par les, les, conséquences, euh, d'abord au niveau ça, c'est au niveau sanitaire. Vraiment, la santé des jeunes, c'est en danger. Au niveau économique, quelqu'un qui, dès, par exemple, 20 ans, tu commences à faire la drogue. Quelqu'un qui qu'on te voit, compter sur toi pour ton avenir même. Parce que c'est là, tu ne vas pas amener grand chose hein, comme résultat. Et tout de suite, les jeunes qui manquent d'emploi, manquent d'emploi. Quelqu'un qui est drogué depuis l'âge, depuis l'âge de la jeunesse, est-ce que même s'il y a l'emploi là, il va profiter de cet emploi Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, là, laisser quand on va faire le recrutement militaire, vous envoyez les jeunes, vous allez voir. Vous allez tout de suite détecter les jeunes qui prennent la drogue. Et vous allez trouver dans 100 jeunes là, moi, moins de 20 peuvent supporter. Parce que sur les militaires, connaissent comment les jeunes prennent la, drogue et comme ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite pour détecter quelqu'un qui prend de la drogue. Et c'est dangereux. À part ça, l'éducation, nous voulons réussir sur tous les plans et surtout sur le plan éducatif. Et que si nos jeunes à l'école prennent, ils, ont ils ont même la chance d'amener même la drogue jusqu'à l'école. Mais comment on va réussir dans l'éducation Comment le Niger va rehausser le nombre de, jeunes éduqués voilà, hein? C'est très difficile. Donc vraiment, ces conséquences, hein, c'est vraiment dramatique, c'est vraiment des conséquences dont il faut beaucoup revoir notre, les Notre jeunesse est un danger, vous voulez dire. Vraiment, vraiment. Donc par rapport à, des mesures que vous avez dit, eh, les mesures, bon, il y a des mesures, par exemple, comme euh, monsieur le professeur vient de le dire, c'est les règlements intérieurs. Et nous, à notre niveau, nous fournissons des efforts pour faire certaines sensibilisations à l'endroit de ces jeunes-là. Au moins que certaines euh, vont pouvoir peut-être laisser des fureurs. Parce que c'est quelque chose que, euh, c'est surtout à l'âge de la jeunesse, il y a la fougue de la jeunesse là. Euh, c'est très difficile de dire à la personne stop, arrête. Même peut-être quand il, fuit des partout où il part, il entend qu'on dit c'est pas bon, c'est pas bon. Peut-être à un moment, il va, il arrêter. Il y a comme je vous ai dit, il y a le comité au niveau des, des autorités, le comité local qui s'en charge de ça. Il fournit des efforts parce que moi, à ces réunions que j'assiste, euh, ils disent que si on, par hasard on prend un enfant un élève dans ce genre de truc, il ne faut même pas réfléchir à mener le directement à la prison civile. Quand les parents vont partir là-bas, amender-le un coup très dur. Comme ça, ils seront responsables de l'enfant. Parce que la plupart, c'est des enfants laissés à la maison à leur ils font ce qu'ils veulent. qu'ils veulent. Et donc, du coup, prendre de la drogue des vins pour eux peut-être, c'est un droit même. Ouais. Alors qu'il est en train de. C'est un droit pour lui peut-être, mais c'est pas. Il est en train de se détruire. Il va détruire. Ouais. Donc vraiment, euh, ça, ce comité, je sais, ce comité existe. Mais les efforts en cas, restent encore à réaliser. Et en tout cas, je sais que peut-être dans le temps, il faudra aller jusqu'au niveau des établissements pour mettre peut-être pour renforcer les règlements intérêts des établissements pour vraiment plus sécuriser les élèves qui ont l'envie vraiment euh, d'étudier. Euh, je le disais en début d'émission que le jeudi 25 février dernier, un forum a été organisé par la Fédération des comités de gestion des établissements scolaires sur le sujet de la drogue en milieu scolaire. Alors, euh, Monsieur Gagara euh, vous êtes donc le professeur du lycée LDB. Quels sont les participants et quel était ou bien quel est l'objectif visé à travers cette rencontre En fait, l'objectif c'est de tirer la sonnette d'alarme, puisque la situation existe et elle perdure et il faut trouver une solution. Maintenant, pour tirer la sonnette d'alarme, on a invité tous ceux qui sont sensibles à ce problème-là, notamment euh, l'administration, euh, je vous parler du gouvernorat, le gouvernorat était représenté, la mairie était représentée, le conseil régional était représenté, l'association des marabouts était représentée, les chefs d'établissement étaient représentés, euh, les élèves filles et garçons, parce qu'on a insisté sur le genre, étaient présents, les journalistes et la promotion de la femme. Donc toutes ces entités étaient là-bas pour suivre. Parce qu'en fait, c'est une sorte de rappel. Parce que les gens semblent oublier ce qui est en train de se passer dans les établissements. Nous avons tenu à ce qu'ils sachent, à ce qu'ils soient informés. Parce que c'est eux les décideurs. Qu'ils sachent qu'il y a urgence et qu'il faut très vite prendre des solutions, les trouver et les prendre. Vous, en tant que chef d'établissement, euh, quelle contribution euh, avez-vous apporté à ce dit forum Alors moi, en fait, il y a ce qu'on appelle dans les débats euh, les personnes de ressources. Dans les forums, moi j'étais une personne de ressources, je suis chef d'établissement, j'ai vécu des situations et j'ai été là-bas pour présenter ces situations. J'ai même été là-bas avec de la drogue saisie dans une classe. Pour faire comprendre aux parents que vous n'êtes pas en train d'accuser à tort leurs enfants. Et je l'ai présenté devant tout le monde, Mais quelle était la réaction des parents quand ils ont vu la drogue saisie en classe Il y a un parent qui a failli pleurer. Il a dit, mais si c'est comme ça, c'est grave. Et ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il m'a il même trouvé à l'école après le forum. J'ai dit, voilà la réalité de laquelle nous vivons. Surveillez vos enfants. Il m'a dit, donc, monsieur vraiment, mon enfant, il est venu avec enfant, il a dit, mon enfant, il est là devant vous, essayez de savoir ce qu'il fait lui. Parce que je n'aimerais pas qu'il tombe dans, dans ce comportement-là. Donc, vous voyez, c'est un impact certain. Et je suis certain que tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont là-bas ont pris conscience de cette situation. Parce que la violence, là, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, elle naît parce qu'il y a quelque chose, un stimulus. Le stimulus, aujourd'hui, c'est la drogue. Qu'il faut complètement... On devient très sensible. Maintenant, comment on va y arriver vous, avez parlé des hommes, mais également des femmes. Il y a, des femmes qui ont donné des exemples. Il y a des femmes. Des filles, je veux dire. Des filles. Il y a des filles il y a des filles qui, vendent la drogue, par il ça, chez moi, n'a pas. je n'ai pas pris une fille à flagrant délit. <laughs> je n'ai pas pris une fille à flagrant Mais elle fume. Elle, fume. la drogue. elle fume le chicha. Vous allez dans mon bureau, vous allez trouver deux ou trois chichas que j'ai arrachés. Qu'ils amènent à l'école ils, ils reviennent le soir. Ils reviennent le soir après Maghrib. Et ils s'installent sur le terrain là-bas. Parce que euh, le plus souvent, après Maghrib, le gardien n'est plus vigilant. Ils vont là-bas pour fumer. Effectivement, moi, souvent, le plus souvent, moi, je circule. Comme vous voyez, on a la fenêtre là-bas. Souvent, avant d'aller à la maison, je circule vers le terrain et je les vois assis en train de fumer. Je prends le matériel et le tapis. Le plus souvent, ils ont un tapis. On s'assoit sur le tapis et on fume. Tranquille. Tranquille, sans gêne. Sans gêne. Nana Wassila, vous êtes euh, euh, une fille. Euh, comment réagissez-vous au fait même que des filles consomment la drogue c'est ça, je dis, c'est désolant. Ça fait mal, en fait, d'entendre ça. Des filles, des futures mamans, des futures femmes au foyer. C'est désolant, très, très désolant même, en fait. La de l'humanité. Euh, c'est une perte, en fait, pour, pour, euh, pour, pour la, la, patrie, on dit, c'est ça Notre société. Oui, exactement. C'est une perte, une grande perte, en fait. Une femme qui est censée, en fait, donner l'exemple, parce qu'elle, elle est appelée à gérer un foyer. Une femme qui est censée en fait éduquer des enfants, comment se fait-il qu'elle va se, mettre dans ce genre de trucs qui ne sont, pas aussi importants Ça fait mal. Il y a des filles qui disent que euh, si les filles consomment la drogue, c'est parce que généralement c'est leur copain qui leur apporte la non, drogue. Exactement. En fait, hormis les copains, parce qu'un copain ne peut pas. Ce n'est pas ton papa. Le copain n'est pas le papa. Comment il va t'obliger à prendre de la drogue si tu ne le veux pas c'est avec, avec leur consentement même, elles le font. Peut-être parfois, c'est pour faire plaisir à ce copain-là, elle le prend. Mais ça aussi, c'est avec la conviction. Elle est convaincue qu'elle-même, elle veut fumer. Elle-même, elle veut prendre de la drogue. Ou bien parce qu'il eh, y a la concurrence. Vous savez, comme nous, on dit chez les filles, il y a une concurrence qui est là. Peut-être elle a, elle, vu une telle, elle, est là, maintenant, elle joue à la star et puis elle, prend de la drogue. Et puis, bon, pour elle, c'est waouh, quoi. Et donc, du coup, pour montrer que nous, on est civilisés, on est, on est, dans le Exactement, on est dans le move. Et maintenant, on se permet, en fait, de se jeter dans quelque chose qui ne nous appartient pas et on commence à prendre de la drogue. Et c'est de là que ça commence. Et moi, je me dis qu'en fait, ça, là, il y a, une part de responsabilité des parents. Parce qu'il n'y a pas le suivi. Et pour une fille, même pour un garçon, ce n'est pas compréhensible, à plus forte raison pour une fille, qui se permet en fait de partir. Toi, on t'a envoyé à l'école, toi en tant que fille. mais en fait, ça me fait mal. Fille, même pas garçon. On t'envoie à l'école. Et puis maintenant, tu te permets de, de, faire ça. Et puis généralement, on dit les filles, ce sont elles qui sont censées en fait être à la maison et puis bien cadrées. Où est passé ce cadrage Où, où est passé ce suivi-là Face à cette irresponsabilité, moi j'interpelle le parent en fait. Il y a certains parents, oui, en fait, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont tout fait, ils ont tout fait, mais quand même, il y a les mauvaises, c'est les mauvaises fréquentations qui font en sorte que maintenant elles changent de route. Mais là aussi, il faut, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester déjà et faire et, puis dire que bon, ok, on a fait, on a fait, maintenant on est fatigué. Il ne faut pas se fatiguer. C'est l'éducation qui est en jeu. Du moment où la fille prend une autre, une autre route, non, il faut la ramener en fait. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport euh, à la consommation de la drogue par les filles euh, En fait, vous savez, il y a quelque chose que moi j'ai toujours dit. La communication est très intéressante. Il faut que nos parents, il faut qu'on communique avec nos enfants. Si tu dis que tu passes tout le temps tu passes tout le temps, par exemple, au travail, quelque part comme ça, tu ne discutes pas avec les enfants, tu ne peux pas comprendre leurs problèmes. Et tu ne peux pas comprendre si l'élève là, il est en bon état ou il n'est pas en bon état, en mauvais état. Ouais. Donc, c'est là manque dans nos sociétés. Et c'est bizarre quand on entend, en tout cas dans nos sociétés, et même, même pas dans nos sociétés, partout où on entend qu'une fille est en train de fumer <laughs> de la drogue, c'est dangereux. c'est elle c'est elle qui va donner les enfants demain, qui vont diriger par exemple le pays. Imaginez comment elle va éduquer les enfants. Quelle est l'avenir des enfants que cette fille-là, qui par exemple dès l'âge de la jeunesse, elle fume, qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants En tout cas, pour moi, elle ne va pas donner de bonnes histoires à ses enfants. Elle va pas éduquer. En tout cas, c'est difficile d'éduquer un enfant. Et là, c'est compliqué. On met en danger, euh, en tout cas, notre société c'est peut-être c'est la seule que nous avons. cest à dire que notre pays, c'est la seule que nous avons. On la gâte de la jeunesse. Ah, tu ne vas pas partir quelque part pour dire que je vais chercher un autre pays. Monsieur le professeur, euh, pour, revenir à ce forum, quelles sont les grandes conclusions auxquelles le forum est parvenu pour endiguer le phénomène dans les établissements euh, La première chose, on a demandé à ce que les chefs d'établissement durcissent le temps en matière d'indiscipline. Ne plus pardonner les fautes, mais en respectant le règlement intérieur des établissements. Parce qu'il y a des règles quand même. Hein, si on ne respecte pas les règles, on risque d'aller à des choses euh, qu'on ne va plus pouvoir contrôler. Ça, c'est le, premier aspect. La deuxième chose qui a été demandée, recommandée par le forum, c'est de chasser ou d'inquiéter. On a dit d'inquiéter d'abord et si possible de chasser les commerçants qui, sont, qui ont leurs boutiques contiguës aux, aux enceintes des établissements scolaires. Ça, c'est le deuxième point, parce que le plus souvent, ces commerçants-là sont aussi des vendeurs, on ne dit pas tous, mais sont aussi des vendeurs de drogue. Troisième chose, on a demandé aux parents d'élèves de s'impliquer dans la gestion des établissements, c'est-à-dire le FDC et l'association des parents d'élèves, de s'impliquer, d'aller de temps à autre dans les établissements pour requérir l'avis des chefs d'établissement et bon, de l'administration de manière générale. surtout, d'organiser des séances de sensibilisation au sein des établissements. Trouver des moyens de le faire, essayer de toucher tout le monde, parce que moi je fais partie des gens qui ont critiqué le, forum, parce que je me suis dit que, en fait, le forum s'est trompé de cible. Le forum a regroupé un certain nombre de personnalités, mais en réalité, ce qui devrait être touché, c'est les élèves. Il n'y a pas eu assez d'élèves, on a envoyé seulement deux élèves par établissement une fille un garçon. Ça, c'est vraiment insignifiant. Et je crois qu'on n'a pas touché la, vraie cible. Donc, il faut reporter ce forum d'une certaine façon dans les établissements à travers les débats, par exemple, à travers les, sensibilisations. les les caravanes. les caravanes, il faut insister là-dessus. Parce qu'il y va de l'avenir du, Niger. Hein. Quelque part. C'est grave. Hein. Une des résolutions, c'est euh, d'amener chaque enseignant à prendre cinq minutes pour sensibiliser les. Est-ce que vous pensez que c'est une solution euh, Ça fait partie de. ça, C'est une, solution, mais pas suffisante. Moi, je crois qu'il faut mettre tout le monde à contribution. Et on a demandé aux parents de veiller à, la scolarité de leurs enfants, surtout à, leur vie extrascolaire. Vous savez, quand ils ne sont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils font il faut que les parents essaient de le savoir. Quels sont leurs amis, avec qui ils circulent. Tout cela, c'est important. Ils ne doivent plus fermer, ils n'ont plus droit à l'erreur. Si tu fermes les yeux, tu verras les conséquences chez toi. On vous a demandé aussi, à vous, la presse, si j'ai bonne mémoire, on vous a demandé d'organiser des débats comme celui que nous sommes en train de vivre, voilà, et pour que l'opinion soit informée de ce qui se passe dans l'établissement et pour qu'on puisse changer, pour que les élèves puissent changer de comportement pour qu'ils puissent s'éloigner de la drogue. Vraiment, selon vous, ces mesures euh, peuvent euh, en euh, le phénomène dans les établissements ah, Parce que Mohamed, ça c'est, monsieur le proviseur vient de m'encourager, je vais dire. Parce que ça fait partie des piliers qui m'encouragent dans le mouvement de la jeunesse. Pour vous dire que moi, c'est presque ça mon travail. Hein, parce que tout mon temps à, à penser qu'est-ce que je vais faire pour les jeunes pour, amener les jeunes à comprendre ça là, c'est pas bon, ça c'est ça, c'est bon. Et c'est ça qui a fait que, par exemple, à Tibiri, j'ai créé une communauté que c'est des filles seulement pour gérer certaines choses qui concernent les filles. J'étais parti avec quelques idées et avec collaboration de l'administration, ah, j'étais tellement à l'aise. Ça veut dire que monsieur le professeur vient de m'encourager pour, pour continuer les sensibilisations à l'endroit de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse scolaire. Vraiment. Et ça, c'est des mesures vraiment très importantes parce que c'est des mesures locales. Vous comprenez des mesures locales. Ça veut dire que ces mesures ne sont pas importées, par exemple, d'une ONG internationale, de quelque part, pour dire qu'il faut faire. Non, c'est nous, les élèves, les parents d'élèves qui ont Ils ont réfléchi, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Ça peut nous aider à résoudre les problèmes. Parce que d'habitude, ce qui, nous, est en train de freiner même certaines choses, c'est parce qu'on s'adopte à des mesures internationales qui peut-être chez nous, ça ne marche pas. Si, par exemple, vous dites qu'il faut, il faut amener la police dans l'école, ça ne marche pas. Hein. parce qu'ils ne vont pas maîtriser les élèves. Alors que chez nous, quand le proviseur s'adopte aux élèves, il vient devant les élèves et que les élèves le, retrouvent. Hein. Tout de suite, les élèves comprennent que ah, monsieur le proviseur, il est à l'aise. On va dire même lui, il prend quelque chose. Alors qu'il il hein, il va trouver une solution tout de suite à ces élèves-là. Il y a des gens, ils ne savent même pas pourquoi ils filment. Et si, si par hasard vous vous dictez la personne, tout de suite vous pouvez la mener à la raison. Oui, mais si vous mettez de loin et pour dire qu'il faut sanctionner, il faut, il faut faire ça, finalement, vous n'allez pas avoir celui qui, qui fuit même. Et tout de suite, dès que vous venez, tout le monde fuit. Et ces sensibilisations, en tout cas, en tout cas moi, mon temps que je vais faire en tant que euh, responsable de ce cadre, je passerai mon temps à faire vraiment euh, ces sensibilisations à l'endroit des jeunes. Parce que euh, c'est avec ça, depuis que ça fait longtemps que j'ai commencé ça, et je continue doucement, et je vois les résultats. je vois vraiment des résultats très efficaces par rapport à ça. Donc vraiment, c'est vraiment très bonne mesure. Euh, Nana Wassilin, euh, de votre côté, ces mesures vous paraissent euh, intéressantes pour endiguer le phénomène Bien sûr, parce que du moment où on fait une très bonne campagne de sensibilisation, je pense que le message va bien passer. Et du moment où les parents aussi sont impliqués, parce que c'est ça, j'ai dit, je parlais de la mauvaise fréquentation. Quand ils sont impliqués, c'est-à-dire que ça va réduire tous ces phénomènes-là. Ça veut dire que c'est des bonnes mesures, en fait. Pour conclure, c'est de dire qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui de taire ce phénomène de drogue et de violence dans les établissements, un phénomène qui est en train d'amener notre jeune génération vers l'abîme. Comme on le dit, la génération consciente est menacée par la drogue. Il faut que chacun, de par sa portion de responsabilité, euh, sévit pour stopper le phénomène euh, de la drogue à l'école. Merci, monsieur euh, Gagara Abdel Nassirou. Merci, Nana Wassila Hamza. Merci, Bourema Mouni. Et à la prochaine.